Oui, ce but encaissé a été, un peu un coup sur la tête. Mais voilà, ça arrive dans le football. C'est des erreurs qui arrivent et ça arrive dans un match de football que, tu encaisses un but. Maintenant, voilà, c'est à nous d'être de grands joueurs, d'être beaucoup plus expérimentés, même si on est jeune, d'avoir la maturité de tenir tête comme on l'a fait aujourd'hui euh, en match retour. Et je pense que si on fait la même chose qu'ici, je pense qu'on va se qualifier, Inch'Allah. Mais lors du football, le football est un ensemble qui est encaissé but. mais yaakaar naa ne bu ñu defee taxawaay bu baax comme ni ñu taxawee tey match retour bi yaakaar naa dinañ ci génn et que ñun ñoo war a am maturité ak expérience bu mat mais su fekkee ay xale lañ pour jéem a jéem a gagné match retour bi incha allah.